La violence chez les jeunes est un problème de santé publique. Elle recouvre toute une série d'actes. Alfred Gomis, élève en classe de terminale, nous parle de sa part de vérité sur ce fléau. Bah, cette violence-là, moi je suis contre pour ça. Voilà. Parce que le fait que vous vous battez entre copains, déjà ça, euh, c'est pas beau quoi, c'est pas beau à voir. Parce que demain vous allez vous lever, hein, vous allez vous vous allez vous quoi, tu vois. J'aime pas ça, quoi, vraiment, j'aime pas ça. Faut pas chercher des ennuis tout simplement. Ainsi, pour d'autres, cette violence n'est que le fruit d'un manque de communication et de considération envers autrui. Mamcher Doukouré parle sur l'importance de cette communication entre jeunes. Euh, en fait, euh, on peut dire qu'à cette période, euh, il y a beaucoup de violence et tout. Mais je veux dire, nous, nous devons chercher le droit et la raison le droit pour ne pas dévier de bout en bout Elle a raison pour comprendre et agir comme il faut. Et on ne dispute pas les faits, parce que c'est un savant qui, avait dit ça. Alors, on doit euh, unir nos forces, parce qu'on est, on est un peuple uni. Il y a la religion, il y a tout, il y a, ici, il y a Sintoua, il y a nos références. Revenir sur nos valeurs et s'auto-éduquer pourrait éradiquer ce fléau, selon Day moi, je bannis, je bannis carrément, parce que je ne sais pas, parce que moi, je ne fréquente pas des gens qui font ça. J'ai jamais, jamais, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vu ça. Donc je peux pas, je peux pas définir les choses ou, dire des choses sur ça. Mais ce que je peux dire, ça veut dire que on doit faire le, la paix pour que tout le monde soit en paix. La solution, c'est qu'on fasse la paix partout, avec tout le monde. On soit, on soit bien avec tout le monde, on soit réglo avec tout le monde. Après, il n'y aura, pas de, aura pas de problème en fait. Selon toujours Cher Doucouré, les parents devraient revoir l'éducation de leurs enfants, car cette manque d'éducation a tendance à se répercuter dans la société. Non, ce n'est pas bien du tout, parce que tout peut se faire pacifiquement parce qu'on peut utiliser la, voix pour combattre, parce que c'est les primitifs, quoi, c'est ça qu'ils faisaient. Alors, on peut, peut, parler doucement, négocier sans amener, de violence. La violence chez les jeunes a des répercussions graves, souvent à vie, sur le fonctionnement physique, psychologique et social de l'individu. société bi te lu bëri mën cee sosu Alfred Gomis di ab ndongo daara mu ngi ñuy wax li ko metti ci mbir mi. démb rek maa ngi gis benn vidéo Instagram bu muy publier di ma nga gisee agression ci biir scène bi tu vois mais loolu métti na ma trop parce que nit ki xamoo lu mu liggéey xaalis fu mu jëlee xaalisam ba jënd motoom di dawal motoom ngeen agressé nit ki ba naroon ko see gaañ baay génne say jaasi affaire yooyu noonu ba nit ki daw di ko dóoree pompe loolu métti nañu trop xam nga mais mënuñu si dara. ñun force de l'ordre yi la ñu xamul lan lañ fi kan lañ fi nekkal ci boppam. ñeen ñi jàpp ne fitna gi li koy yee mooy ñàkk waxtaanu gone yi ci seen biir ak ñàkk fonk doomu aadama maam du Doucouré mu ngi wax ci dal gi gone yi war a am ngir mën a wàññi violence bile. intérieurement ñoo bokk lépp kon amul leen lu ñu lu ñu boolewul yàlla daf ñoo boole xam boole ñu ay nitam ndax afwaajan booloo la kon ku si nekk dangaa war a nite ndax bu ñu nite woon rek bëggante kon Sénégal day avancé. waaw ndax nite boobu mais nit nit nag fa lay nekk si nit waaw yow yaa koy wër da ngay toogaat sa bopp ndax yàlla def ni la nga toogaat sa bopp xam moom mooy kan kon boo toogee sa bopp rek nit ki di nga xam yow yaay kan waaw si kaw ñu nangulante nag ndax mi sa morom mi sa yaay mi ñëpp da nga da nga ku nekk da nga war a nangulante ndax kat sa premier sa sa première société mun naa ne mooy seen waa kër waaw ndax fa saa ça tout ça soi dellu si si sunu ay valeur te yaraat ndaw ñi dina doon li mën a wàññi fitna te indi jàmm suñu dégloo kii di Ndeye Amy jàlloo loolu mën naa wax que genre loolu du yoon parce que ñun ñëpp ay nit lañ te genre nit ku nekk nit nga boo ko xoolee si sa bopp violence du am parce que genre ñun bu ñu deful loo xamante ni day jëmale société bi kanam waruñu def loo xam ni day delloo société bi ginnaaw parce que Sénégal c'est pas que genre l'État kese. mais c'est les Sénégalais qui construisent. Tu comprends Donc, il y man je ne crois pas et je ne sais pas à Ken parce que les guerres, les diamants, les affaires, c'est des choses qui c'est pas respecté par, par, par notre pays. Et en plus, amna yo xamanteni ça se fait pas. Man ben conseil la am bu on fasse la paix. kii di Cheikh Doucouré dellu siwaat na ci ay kàddoom te naan waay jur yi ñu yaraat ndaw ñi ndax xale moom moomin la te li mu xam ca kër ga rek moom mooy feeñ ci mbedd mi. waaw éducation la ñu war indiwaat éducation de base surtout ndax lépp sa ndaw la mais parent yi tamit ñoom ñoo am nañ si part de responsabilité tamit am nañ si part de fitna gi ci ndaw ñi mën naa am ay jeexital yu doy waar ci seeni dundin.